sommes présents pour juste une très très bonne cause. La très bonne cause, c'est tout simplement la plateforme LONASBET, donc, euh, qui est aujourd'hui une diversification des produits de la LONAS. Donc, euh, cette plateforme qui aujourd'hui qui permet à des heureux gagnants d'aller regarder la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pas seulement regarder cette Coupe d'Afrique des Nations, des Nations, mais la regarder tout frais compris par la LONAS. Le billet d'avion, l'hébergement, le, le, les, les, même, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, nous n'allons pas laisser ces personnes y aller comme ça, donc euh, tout frais compris par la LONAS. Et aujourd'hui, c'est tout c'est simple, c'est tout simplement un jeu concours euh, qui permet aux gens à partir de 1000 francs de pouvoir euh, participer à un tirage au sort, ce tirage au sort qui va leur permettre d'aller regarder cette Coupe d'Afrique euh, des Nations en Côte d'Ivoire. Donc euh, nous avons déjà fait deux tirages, un tirage le 28 décembre, un autre tirage le 4 janvier et ces tirages ont permis à deux regagnants, donc quatre précisément. Il s'agit de M. Babo Touré qui nous vient de la région de Thiès, de M. Euh, Touba Gay qui, vient de la région de Saint-Louis, de M. Abdoulaye Chongan euh, qui vient de Dakar et de M. Abdoulaye euh, Ndao qui, qui vient de Kafrine. Donc euh, ce sont ces heureux, gagnants-là à qui aujourd'hui on va remettre le titre de séjour. Il va y avoir également deux autres tirages qui vont permettre à quatre autres personnes de partir regarder cette Coupe d'Afrique. C'est d'ici peu que, vont se, que vont se faire ces tirages-là. Donc pour l'instant, Aujourd'hui, l'honneur est donné à ces quatre personnes qui sont présentes et euh, cette remise est faite en présence euh, du secrétaire général de la LONAS, M. Momodou avec euh, Madame Nambao euh, Djalondao, qui est aujourd'hui la coordonnatrice de cette plateforme, l'ONASBET, et en présence également de Madame Sal, qui est Madame, D, Madame qui est notre directrice du marketing et de la communication. Donc, euh, Madame Dao, directrice, coordonnatrice de la cellule pour la promotion de la plateforme l'ONASBET. L'ONASBET, est une plateforme, directeur général Abdurrahman Baldé, daf ko def direction euh, ku nekk xam na ne léegi nit ñi euh, suñuy jouer bëgguñu di dem ci suñu kiosque yi kese bëgg nañ toog seen kër di jouer en ligne moo tax l'Onas, daal di créer propre plateforme am boo xam ne boo fa demee mën nga fa def PMU mën nga fa def ay paris euh, tout type de sport mën nga fa def également ay jeux de de casino léegi nag kan bi nga xam ne ku nekk xam na ne suñu équipe moo remporté Coupe d'Afrique l'ONAS a fait un jeu concours avec euh, xam 1000 francs vous euh, nañ au tirage au sort vous xam vous dañuy pour la CAN l'ONAS a fait un billet d'avion un lay euh, héberger jox hôtel transporter hôtel au stade pour chaque match te avons dem un dañuy toog final donc on a quatre gagnants ñi nga fait une cérémonie bi dañ leen jox titre de voyage mais fait dañuy tour ba final à part nous, nous avons 6 six gagnants qui ont été quart de finale et ñuy finale Ce ñuy dem pour euh, nous, c'est rek lonas mu ko euh, jeux concours def pour nous donner am possibilité de faire une promotion produits. mais également ku nekk xam na ne dafa bëgg population et en tant que sponsor officiel de l'équipe nationale itam euh, appelé les sénégalais pour nous dem seetaani kan bi Merci. Nous ngi de di nuyu ci turu directeur général Abdourahmane Balde. ah di xamal ñëpp bépp mbolo bu fi teew ne lonase.bet moy plateforme bi nga xamné ne ak mom nga xamné ci internet ngay jaar pour mon saa jouer bañ ko lancer ba légui gis nañ ci ndam yu am solo ñu am ci directeur général am ci mbégte benn mu plateforme bi daal di ko def mu direction direction bi madame daw moko jité benen bi itam moy ndam yiñ ci am taxna ci at bu bes bi dañu sargal suñuy parieur parieur yi nga xamné ñom ñoy joué jouer ci lonase point Nous tax ñu organiser jeu concours bi muy concours CAN 2024 Pourquoi? ko défé nag mu am fukki gagnant dañ pour mën beaucoup da 1000 francs ci plateforme bi képp koo xamante jouer 1000 francs la plateforme bi bokk nga ci concours bi bu ko defee ñu organiser tirage première partie tirage nous ce 4 nii nga xam quatre gagnants yi ci la gagnants yi deuxième partie bi dinañ ko tirer muy ñetti gagnants yu ci war a quart de finale mu am encore yenen ñetti gagnant yo xamné ci final bi lañuy ñuy bu ko défé nak l'ONAS lepp la jël en charge jëndal na leen ay billets yobul leen ci CAN ba fële Côte d'Ivoire sen transport digënté aéroport mais ci sen hôtel l'ONAS koy jël en charge hébergement moy Euh, fa ñuy fanaan ci hôtel yi ak yooyu LONASE a koy jël en charge bu ñuy dem di seetaani match LONASE a koy jël en charge day def ay bus nga xam ne ñoo leen di transporter ñu dem ci hôtel ba jóge ci hôtel ba dem ci stade bu ñu paree aussi mu yóbbuwaat leen seen hôtel beneen bi pour lañuy ñuy foofu LONASE parieur bu nekk gagnant bu nekk jox na la sept cent cinquante mille mu doon say fre ya ngay dépenser ci période boobu ngay nekk foofu waaw loolu daal mooy mooy concours bi bu ko defee maa ngi invité ñëpp ñu continuer di parier waaw képp képp ku ci bëgg a dem parier ci lonase point bet te lañ lay laaj mooy 1000 francs rek ngay teg boo tegee bokk ci concours bi bu ko defee xëj na ci yii di ñëw tirage yii di ñëw nga bokk ca Nous jël en charge di centre. di euh, je m'appelle Abdoulaye Thiongane donc euh, j'ai joué au, au Paris Foot parce que tout simplement j'avais envie de participer à la Coupe d'Afrique. C'est la seule raison hein, que j'ai <laughs> joué là pour euh, voilà voilà et je croyais même pas trop parce qu'en tant je pensais que c'était une farce. Parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça. Et quel est le sentiment euh, que vous euh, avez Le seul sentiment que j'ai, c'est de rêver de participer à la finale avec le Sénégal. Et point barre, je vais juste pour la finale. Et rien d'autre. Ben, la euh, dans sa devise, hein, elle est là pour, le, pour, pour la population. Donc, même si les gens jouent et perdent, l'argent retourne à la population. Logiquement, on est gagnant toujours. Non, je jouais de temps à autre, mais cette fois-ci, c'est parce que c'est la Cannes et c'est en Afrique. Je voulais, enfin, je dis en Afrique, je veux dire, c'est euh, en Côte d'Ivoire. Et moi qui avais souffert en 92 de la défaite, je voulais juste notre revanche et je, jouais pour ça, pour aller participer à la finale, c'est tout. je l'ai déjà dit, toi aussi. Ah Abdoulaye Tchouangan. Combien vous avez misé 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. Euh, Abdoulaye Tiongan Latoudou Donc j'ai joué au, jeu pour juste euh, Abidjan pour que Sénégal dem finale. C'est mon seul souhait. pour la vengeance de 92, c'est la raison pour laquelle j'ai joué et j'ai prié pour que je gagne. ma gagné pour faire cette cette finale finale. c'est-à-dire que même si je suis au final ça m'aurait fait plaisir parfaitement donc l'on a ñëw ma pour ma participer à la finale. Oui, c'est mon seul souhait hein. man demi-finale premier tour je m'en fous Il n'y a que la finale qui m'intéresse contre n'importe qui. le plaisir parce que j'avais prié euh, de gagner non non personne ne peut penser à gagner hein. il y a plusieurs on est 18 millions de Sénégalais peut-être qu'il y a 1 million qui joue donc euh, a qu'à gagner hein. dama gagner par hasard